Euh, vous savez, comme disait Senghor, la méthode et l'organisation. On ne peut pas déménager une chaîne de télévision un jour. Aujourd'hui, pour préparer le déménagement, nous sommes sur un site de presque un hectare sur la zone industrielle. Nous avons construit les studios de cinéma. Nous avons tous les plateaux de télé vont aller là-bas, quelques bureaux vont y aller en attendant. Donc, toutes les chaînes de tous les plateaux de télé vont y aller avant. Donc, on a euh, pris 2 milliards 300 pour retaper l'ensemble du, du site là-bas. Donc, avant d'aller euh, donc dans ce, dans ce chantier de cinéma, comme on dit, qui est presque construit, qui est presque à l'état donc d'héberger de, de, donc la chaîne de télé ici, 2STV et les bureaux, euh, nous sommes en train de préparer comment il faut déménager. Tout le matériel qui est ici reste ici. nous avons importé, nous allons changer des équipements, tout le matériel va recevoir la télé. Donc en quelques secondes, on peut splitter et commencer à démolir. Donc il faut un investissement, c'est-à-dire que les émetteurs, les, tous, les, tous les satellites, etc., sont en train d'être montés. Donc d'ici le 31 décembre, tout sera fini. Et là, ce n'est plus une maquette, vous avez visité, hein. vous avez, les gens ont travaillé pendant une année et deux, pour retaper tous ces hangars, pour retaper tous ces trucs l'État du Sénégal nous a donné. On remercie au passage l'État du Sénégal pour nous avoir octroyé ce, terrain pour pouvoir le faire avec le port autonome de Dakar, avec euh, donc les domaines. Euh, les gens, donc l'administration sénégalaise a pu croire en ce que nous faisons. Et c'est pour ces raisons que nous avons toutes les facilités pour aujourd'hui travailler. Ok. Euh, président, mhm. c'est vrai que Fofou Yatuna LOL. Hmm. mais en dehors de deux s mën nga ñëwaat wax ñu lan les chantiers du cinéma. Euh, quand on disait cinéma et télévision, c'est pour permettre à toutes les sociétés de la place qui veulent de la production de s'installer, de faire comme, comme à la SFP, la Société française de production, et comme certains Français ont fait, ils ont fait des quartiers, ils ont fait des centres de cinéma où chaque producteur indépendant peut venir prendre du matériel, prendre des sites pour faire les, des tournages des sites comme. Et ça permet au cinéma sénégalais ou aux producteurs sénégalais d'être totalement indépendants. Parce qu'on ne peut pas tout investir, tout acheter. Il faut que chacun fasse euh, des choses pour compléter l'autre. Les producteurs doivent venir avec leurs idées, leurs scénarios, écrire, tourner. Et nous devons mettre à leur disposition tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériaux donc de tournage. C'est pour ces raisons qu'on a appelé ça les chantiers du cinéma. Donc ceux qui veulent faire du cinéma, euh, faire euh, <clears throat> un certain nombre de, productions, peuvent venir donc effectivement pour faire le travail là-bas. Est-ce que les Sénégalais, est-ce que c'est des Sénégalais qui l'ont fait Technique il y a rendre hommage à ces techniciens, ces jeunes. Est-ce que ce sont des Sénégalais qui ont appelé techniquement parlant Tout a été fait par les jeunes d'ici. Mhm. le Cheikh Oudjob, les Tafacham dans le son et l'ensemble des jeunes qui sont ici, les CI, tous, ils ont appris. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire venir un Français ou de venir un Américain pour faire les choses que nous faisons ici. D'ailleurs, ils sont tellement, tellement forts <laughs> qu'aujourd'hui, euh, ils peuvent même choper les voleurs de fréquence. <laughs> Ça, on y reviendra, certainement. <laughs> Alors, euh, j'étais en train de vous dire, c'est vrai que pour le déménagement, siiw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp luy